je pense que ça s'est bien déroulé surtout le jour pratiquement à Mouben, quoique au niveau national donc par rapport à l'élection, il passé vraiment satisfait quoi je pense bien que si nit ñi insister si ay premier tour deuxième tour parce que dafa am euh, les partis dictent leur loi ou bien euh, les médias mais je pense que nous dañu le verdict des journaux

sa candidat mooy ëppale wala sama candidat ëppale mais ki nga xamante moo gagné nañ ko ne yaa gagné coow li jeex fii Sénégal yi ñoo ko moom gis nga ñoom ñuy wax ni yëpp ku nekk yaa ngi teg sa nu ñu ko xotee sa passeport ak sa billet d'avion bu ci réew mi naree tàkk ñuy dem seen yoon man ak yow ñoo fiy des parce que ñun fii lañu yaakaar am suñu dépense comprendre wax kon ñun ñoo war a yeewu ni may xamal ñu bépp doomu aadama bépp sénégalais mooy fekkee sénégalais lam daa donnoom ay milliards sa bàyyi na nga xam ne réew mi yow yaa ko mën defar kenn mënu ko defar politiciens yi bu affaire yi cóole dañuy dem seen yoon ah. ñun ñoo fiy des di reyante te loolu xam nga ñaar kenn ñaanu ko yàlla. loolu moom mënuma see prononcé pour l' instant parce que dañu nekk si pays boo xamante ni dafa am ay loi ay règlement je pense bien que nii coup gagné coup où ce c'est pas à l'opposition de le dire ni au, pouvoir il faut attendre les ah. gens qui doivent le faire sortir et dire que telle personne a euh, un tel pourcentage l'autre personne a un tel pourcentage si le pourcentage euh, ne dépasse pas les 50%. Je pense bien qu'on doit aller au deuxième tour. Mais si c'est le contraire, donc peut-être que celui qui a plus de 50%, 50% euh, autant pour moi, doit passer au premier tour.